forum du studio Le forum du studio Kalangu. Le forum Le forum du Le forum du studio Le forum du Le forum du Le forum du 18h15 à Niamey. Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse du studio Kalangou consacré au décryptage de l'actualité de la semaine avec les confrères des médias de la place. La semaine a été marquée par la mise en application lundi de la décision du port obligatoire du casque et de la ceinture de sécurité dans la circulation. Toujours lundi, la rentrée scolaire 2018-2019 effectuée au Niger avec environ 4 millions d'élèves et 97 000 encadreurs. Le Hajj 2018 euh, qui a pris fin avec, euh, semble-t-il, 3 euh, 000 pèlerins qui ont manqué de nourriture à Mina, Arafat et Mousdalifa. La révision du code électoral comme principal ordre du jour de la réunion du Conseil national de dialogue politique CNDP lundi à Niamey. Pour analyser cette actualité, j'ai le plaisir de recevoir Hassan Boukara Di Abba de la radio alternative. Hassan Boukara, bonsoir. Bonsoir. Alhaji Mohamedou Souleymane, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter. Alage Mahamadou Souleymane, bonsoir. Bonsoir. Et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, votre serviteur Mokhtar Hamadou. Comme annoncé, parlons d'abord de cette décision de la ville de Niamey. Les locataires de l'hôtel de ville s'est rendu lundi sur certains carrefours de la ville pour constater l'application de la décision du port de casque pour les motocyclistes et la ceinture de sécurité pour les automobilistes. Mokhtar Mamoudou a déclaré au micro de notre reporter Soumana Amadou que la majorité des automobilistes, particulièrement les taximens, ont respecté cette mesure. en l'écoutant. La population de Niamey a respecté de façon très majoritaire cette mesure. Tout le monde euh, porte sa ceinture de sécurité, y compris les taxis. Et d'ailleurs, je tiens à féliciter les taximens Ils se sont vraiment investis à respecter ça, eux et les clients. C'est vraiment encourageant. C'est pareil au niveau du port des casques bon, nous avons remarqué justement qu'à ce niveau, il y a euh, quelques-uns qui n'ont pas porté des casques. Là, on sanctionne bien entendu, mais les gens sont en train de se mettre au pas euh, progressivement. Vous avez un camion qui est stationné là-bas, la police est là-dessus pour euh, assurer l'application de cette mesure. Les actions de discipline font partie désormais de notre priorité. Il y aura d'autres mesures qui vont s'en suivre. On est obligé de prendre ces mesures et nous allons nous investir pleinement à faire respecter ces mesures-là. Hassan Boukar, Comment réagissez-vous à l'écoute de cette déclaration du président de la délégation de la ville de Niamey ben, Je souhaite qu'il ait raison. Si la majorité des gens de Niamey portent, euh, c'est déjà une très bonne chose. Encore une fois, je pense que <clears throat> les gens interroge euh, la possibilité d'une mise en œuvre efficace euh, et effective de cette mesure. Mais la mesure en elle-même, normalement, ça ne doit pas causer problème, puisque c'est fait pour la sécurité des gens, pour les biens. J'aurais bien voulu que les gens euh, portent leur ceinture, leur casque, non pas parce qu'ils sont obligés par la police, mais simplement parce qu'ils pensent que pour la sécurité, c'est bien de le faire dans un pays qui a un des taux d'accidents le plus élevé De, mortalité liée justement aux accidents les plus élevés, ce serait bien qu'il y ait un message fluide. Mais la communication, elle est totalement absente. La seule communication qui consiste à dire, à partir de telle date, on vous oblige à porter. Or, euh, je pense qu'en démocratie, c'est bien de parler aux gens, de sensibiliser, en particulier quand il s'agit de leur santé. C'est bien, à mon avis, d'informer, de, de, sensibiliser. Mais aujourd'hui, on utilise la force. Autrement dit, dès que le regard du policier euh, est absent, on n'est pas encore convaincu que les gens vont continuer à le faire. Euh, mais on assiste aussi, euh, l'administrateur de ne l'a pas dit, justement à ce jeu de chat et de la souris autour des ronds-points entre euh, ceux qui, n'ont pas les casques et puis les, la police qui fait son travail de contrôle. À mon avis, ce qui manque dans cette opération, oui, c'est bien de dire aux gens, protégez-vous pour votre sécurité. Ça a un coût, justement, les accidents, quand les gens n'ont pas de casque, de ceinture, etc. Mais c'est la communication qui manque. À mon avis, il faut communiquer pour convaincre les gens. Peut-être qu'un jour, on n'aurait pas besoin de la police pour faire respecter une telle décision. À mon avis, c'est vraiment ce qui manque. Issa qu'avez-vous observé ou recueilli au sujet de la mise en application de cette décision Après cinq jours d'application, je vois que en fait euh, beaucoup de gens se sont conformés. Mais ce qui est malheureux, ils se sont conformés sur pour, leur propre sécurité. C'est juste pour éviter les contrôles inopinés de la police. C'est ça. Tout à l'heure, Abba disait, c'est la communication qui vraiment qui a été tout à fait absente, pas du tout objective. Et surtout, chez euh, je pas compris pourquoi 20 jours. Parce qu'il ne faut, il faut pas mettre tous les citoyens un pied d'égalité. 20 jours euh, pour se payer une casse quand, on connaît euh, l'esprit de nos commerçants ici au Niger, quand il y a une décision qui tombe, qui, qui met en valeur leurs produits c'est la surenchère. Effectivement, le casque qui s'est vendu à 4 000 francs, 5 000, euh, voire l'intégrale à 6 000. Euh, aujourd'hui, l'intégrale, si vous n'avez pas 15 000, voire 20 000, vous ne pouvez pas vous le procurer. L'autre, la, la, petite casque qui a 4 000 aujourd'hui, c'est 10 000. Si la réduction, c'est peut-être 1 000 francs ou bien 500 qu'on peut vous réduire. Donc, euh, beaucoup de gens certainement n'ont pas eu les moyens compte tenu un peu de la situation. Mais ce qui il faut comprendre une chose, il faut de la communication pour faire comprendre aux gens que cette ceinture de sécurité, ou bien ce casque que vous portez, vous ne le portez pas pour le policier qui est là, ou bien pour le président du conseil de ville, euh, de conseil, euh, le président de la délégation spéciale, vous le portez pour vous-même, car en cas d'accident, c'est vous si vous n'êtes pas protégé, qui allait récolter directement les pots cassés. Donc moi, je pense que les gens, c'est ce qui, qui va attirer mon attention. Les gens se sont conformés, pas pour leur sécurité, mais pour, euh, euh, pour euh, éviter la police. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. il y a trois décisions qui ont été prises en même temps. Il y a le port du casque, le port de la ceinture obligatoire et également la circulation des gros porteurs. Mais pourquoi, bon sang, le président de la délégation spéciale, et comment il s'appelle le, gouverneur actuel de la région de Niamey, 40 se, focalise seulement dans leurs interventions sur ces deux cas Quoi, ils sont incapables de faire intimer à ce conducteur de, camions camion qui, je vous assure, le respect des horaires, le, des, horaires parce que ils sont, c'est la menace aujourd'hui qui pèse sur les usagers de la route. Vous avez vu les dégâts qu'ils sont en train de commettre Rien que avant cette semaine, sur, sur les bétons qui séparent la voie au niveau de la rive droite, comment pouvez-vous imaginer un camion monter là-dessus À quelle vitesse ou bien à quelle allure il entend de conduire pour pouvoir se retrouver dans cette situation c'est ça que moi je n'ai pas compris. Pourquoi il se focalise seulement ça Parce que ici, ce, sont, ce sont des pauvres citoyens. Les motocyclistes, les, automobilistes. Et les, taximales, euh, c'est eux les faibles. Parce que eux, les camions, les détenteurs de camions, ce sont des gros bonnets, ce sont des commerçants puissants qu'on ne peut pas toucher. Ah non, quand on fait une loi, elle ne devrait pas refléter l'injustice. La loi, elle est juste et elle s'applique à tous les citoyens. Pour finir, il y a aussi un aspect qu'il faut que la police essaye de faire. Parce que ce matin, moi, j'étais témoin euh, au niveau de Grand Point Justice et j'ai vu beaucoup de conducteurs de véhicules d'administration qui ne portent pas la ceinture. de sécurité. Mais ils passent devant la police. Pourquoi Parce qu'ils ont une plaque. C'est à eux d'abord de montrer l'exemple. Mais chapeau aussi pour les conducteurs des ONG qui aujourd'hui, on a vu que eux, bien avant cette réglementation, ils ont montré la voie et qu'ils doivent continuer. Parce qu'il ne faut pas que cette frustration-là, même ce matin, quand j'ai vu un conducteur qui se plaignait, qui disait que mais il y a quelqu'un, si c'était lui qui n'avait pas sa ceinture, on, on allait l'arrêter. Et aussi, il y a un certain nombre de choses qu'il faut améliorer pour éviter cette frustration. Mais je pense que la décision, elle est bonne, mais elle doit être revue. Il faut laisser le temps faire, en continuer la sensibilisation, pas plutôt basée sur la répression. Parce que quand il y a beaucoup de répression, je vois, il y a beaucoup de récalcitrants, il y a des gens carrément qui refusent de le faire. Mais vous savez, l'être humain, nous sommes ce que nous sommes. Il faut savoir utiliser vraiment des astuces pour nous amener à comprendre que pour notre propre bien, on n'a pas besoin de cravache derrière nous. L'âge Mohamed Suleiman, cinq jours déjà que cette mesure est appliquée. Observez-vous un réel respect de cette décision ou bien un certain relâchement déjà Mais Je pense que ne serait-ce que lorsque les usagers arrive au niveau des policiers, ils sont obligés de, se, conformer. Mais euh, comme euh, toute euh, chose nouvelle, souvent on oublie, il arrive souvent, vous oubliez carrément, parce que simplement ce n'est pas un réflexe. D'où effectivement je suis d'accord avec mes collègues qui disent qu'il faut sensibiliser, il faut communiquer. Ailleurs, euh, vraiment, c'est devenu un réflexe, euh, même euh, les véhicules d'aujourd'hui. Quand vous n'avez pas porté la ceinture de véhicule, vous indiquez que quelqu'un n'a pas porté sa ceinture de, de, de, sécurité. cest qu'il n'y a pas de débat vraiment sur l'aspect sécuritaire. La sécurité, c'est comme on dit la paix, ça n'a pas de prix. mais je pense qu'on est en train d'aller vers un nouveau comportement il va falloir justement insister. Moi, un autre aspect que je voudrais dire que euh, lorsqu'on a fait cette décision, on voudrait la mettre en œuvre. Il fallait voir aussi, euh, toute la ligne, en tout cas les différentes difficultés. Un autre aspect, c'est même ceux qui sont censés appliquer la mesure, à savoir les policiers eux-mêmes. Euh, je crains fort que ces gens ne puissent profiter pour se faire de l'argent, à savoir qu'ils peuvent prendre des, miettes, des, des, des miettes, euh, laisser les gens mm, que ont pris. En... C'est dire qu'en tout cas, c'est aussi un autre aspect de la, de la difficulté. et même, euh, il faut peut-être euh, aussi faire la police des police. en tout cas, chercher à avoir. Mais moi, pour le principe, je sais que souvent, la loi, effectivement, c'est pas la loi. Et dans ce pays, pas seulement dans ce domaine, dans nos pays africains en de façon générale, c'est parce qu'effectivement, la loi n'est pas appliquée rigoureusement qu'il y a beaucoup, beaucoup de défaillances. Euh, euh, vous voyez qu'on va chercher à trouver un arrangement, mais si tout le monde, effectivement, voit qu'on applique strictement la, euh, la, loi, souvenez-vous, un moment, on avait la, la, la, la police a commencé à mettre le, le truc là, pour euh, apparemment, ils ont cessé. Parce que simplement, vous voyez quelque part, c'est au niveau de ceux qui sont censés mettre en œuvre qu'il n'y a pas le sens de l'autorité, le sens en tout cas de la rigueur qu'il faut. Ce qui fait que franchement, par le même cela, on va voir, euh, attendant de voir en tout cas d'ici un an ce que ça va donner. Sur euh, tout un autre plan, ils sont au total 3 823 437 élèves et 97 000 encadreurs à reprendre le chemin de l'école ce lundi 1er octobre au Niger. Les chiffres émanent du ministre des Enseignements secondaires. Une rentrée scolaire particulière cette année à Maradi. C'est au stade municipal de la ville que se sont retrouvés autorités régionales, élèves, étudiants, enseignants et partenaires de l'école. Objectif pour Maradi qui compte plus d'un million de scolaires et de permettre à tous les acteurs de prendre des engagements pour une année académique stable. Suivons à cet effet un extrait de l'entretien accordé par le gouverneur de la région de Maradi, Zachary Oumarou, à notre correspondant Mohamed Maman. Nous avons plus d'un million d'élèves dans la région nous avons plus de 500 000 ménages. Il n'y a pas un seul ménage qui n'a pas un enfant à l'école. Alors qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui qu'une rentrée scolaire Je me suis dit que le 1er octobre, il faut que tous les scolaires et étudiants de Maradi, les parents d'élèves, tous les enseignants, tous les syndicats, tous les COGES, tous les partenaires techniques et financiers soient au stade municipal de Maradi pour que chacun Prendre la parole, prendre un engagement, nous dire ses préoccupations que nous allons prendre en compte, les examiner et les porter auprès de qui de droit. Le stade était euh, rempli, tout le monde était là-bas, c'est une innovation et Inch'Allah, nous allons perpétuer cette euh, innovation-là pour que désormais la rentrée scolaire ait le cachet particulier qu'elle mérite. Elhaj Mohamed Souleiman, pensez-vous que cette innovation dans un stade peut être un gage de stabilité de l'année scolaire 2018-2019 Il a dit c'est une innovation, je suis d'accord avec lui. Et je pense que le plus important, c'est de voir au niveau national. Euh, parce que c'est quoi, en fait, cette proximité Ça suppose le dialogue. Donc, euh, je pense que euh, les conseils, lui, le gouverneur de Maradi, que la nécessité du dialogue social. Donc je pense que euh, au niveau national, effectivement, il va falloir que les autorités appellent les différents vraiment acteurs, les syndicats, les enseignants, les étudiants, les élèves, vraiment pour qu'on puisse euh, aller sur une base vraiment solide. Parce que euh, oui, ça, c'est. Est, Est-ce que cela doit se faire au stade et non pas euh, quelque chose qui doit se faire en amont, vraiment pour avant même la Pour un effet d'annonce, vraiment, ça n'est un. Vraiment, c'est une très bonne chose de voir tout le monde. Au lieu d'aller à l'école, on vient parce que c'est quoi En fait, le gouverneur, apparemment, dans ses fonctions, n'est pas très content de voir que il y a les, différentes euh, sorties des élèves ou bien les anciens, les différentes grèves. Autrement dit, ils, voudraient faire. Les euh, différentes euh, sorties, c'est je dis, au non-respect des engagements. Je dis vraiment pour, pour faire court ce que le gouverneur, oui, c'est bien pour l'initiative, mais le plus important, c'est créer vraiment les conditions de possibilité d'un dialogue vraiment franc et sincère. Et c'est ça qui peut vraiment faire en sorte qu'il y ait l'ordre à l'école et la discipline. Selon vous, euh, cela permettra à ramener la et la stabilité au sein de... Au moins, quand il y a dialogue, au moins les gens se font, confiance. Parce que c'est quoi souvent euh, Parce qu'il y a dialogue, parce que les partenaires ont été vraiment, euh, je veux dire, considérés quand on leur dit qu'il n'y a pas les moyens, voilà ce qu'on peut faire, ils peuvent effectivement accepter d'aller à l'école. Mais cela vraiment souvent manque au niveau de nos responsables, euh, de nos autorités. Issa quels sont pour vous les actes qui contribueront à une bonne année scolaire 2018-2019 Le dialogue sincère entre les partenaires. Seul gage d'une année académique scolaire et stable. stable. Pour aujourd'hui, parce que vous savez, l'école nigérienne, il faut le dire, on ne va pas euh, euh, arrêter de le dire quand ça ne va pas, ça ne va pas. L'école nigérienne, elle est malade. C'est ce qui fait en sorte que nous avons trébuché encore une fois de plus dans le classement de l'indice de développement humain. Donc moi, je pense qu'il faut tenir euh, un dialogue franc avec tous les partenaires. quand on prend des engagements, on ne prend pas les engagements pour les laisser dans les tiroirs. On prend des engagements pour pouvoir les respecter au fil du temps. Mais euh, force est de constater que jour, euh, jour euh, les deux camps, au lieu de collaborer pour la réussite, chacun reste dans son côté. Je pense que cette rentrée, pour l'instant, ça va, malgré qu'il y a quelques. parce il n'y avait pas de mot d'ordre de les enseignants, ce qui est bien ils sont en mode observatoire, euh, d'observation. Je pense que c'est bien. Mais quand même, il y a des défis, par exemple, au niveau des classes, surtout dans la région de Niamey, où rien que le, le, le mercredi, eh, les élèves de la classe de 6e dans plusieurs établissements attendent toujours euh, la répartition ou soi-disant comment ils appellent euh, l'orientation parce que les listes ne sont pas venues à temps. Il y a aussi vraiment le problème de classe le problème de classe qui se pose vraiment avec acuité. Donc il faudrait prendre les dispositions pour s'il y a des classes de période qu'il faut construire, il faut les construire. Sinon, certains établissements euh, seront obligés euh, de faire la double vacation faire euh, des cours pour un groupe le matin et faire des groupes euh, pour l'autre groupe le soir. Donc, vous voyez, c'est pas quand il y a ce genre de euh, situation dans le système éducatif, ce qui veut dire que nous avons des sérieux problèmes. Et moi, je pense que on peut, si l'État tient un engagement, et aujourd'hui, on a, ils ont dit dans le budget que de 20%, si réellement ces 20% peuvent être accordés euh, à l'éducation, moi je pense que c'est une bonne chose. Euh, d'autres sources euh, d'instabilité de l'année académique, ce sont le non-paiement des pécules, des enseignants contractuels, les allocations pour les élèves. Est-ce que cette année, des dispositions ont été prises pour... Ça, je, je, ne suis pas dans le secret du gouvernement, mais moi je sais que du côté du primaire, c'est que il faut s'attendre vraiment, euh, il faut être vigilant par rapport à surtout ce processus de transfert de, compétences, au niveau des communes. C'est pour cela que je salue eh, la pertinence de la réflexion au niveau du secondaire, qui ils sont réfractaires, ils disent même s'ils vont le faire, ils vont transférer les compétences au niveau régional. Parce qu'ils eh, savent, ils connaissant, euh, ne pas faire tomber le système très bas. Déjà, il y a des difficultés, parce que comme nous savons, nos maires, c'est le ministre de l'Intérieur l'a dit, c'est des maires indélicats que nous avons, c'est pour cela qu'ils sont obligés de sévir. Est-ce que vous avez entendu une seule fois deux ou trois conseils de ministres qui se suivent où il n'y a pas la révocation de maires Comment pouvons nous euh, confier à ces gens qui, même le petit, euh, les petites sommes qui entrent, ne sont pas investies, sont détournées au vu aussi de tout le monde, peuvent gérer les salaires. C'est de... le concert avec euh, les, les, les, inspecteurs pédagogiques. Euh. Les, inspecteurs pédagogiques, on dit, le ministre l'a dit, mais le ministre n'est pas sur le terrain. Il y a des trucs pratiques, dans, de, de façon pratique, qui ne sont pas. On peut annoncer, mais est-ce que la, théorie, la théorie est là, mais est-ce que pratiquement, sur le terrain, c'est réalisable C'est ça la problématique. Hassan Boukar, chaque année, ce sont plusieurs milliards de francs qui sont injectés dans le secteur de l'éducation. Pourquoi ça ne marche pas encore, surtout que c'est ce facteur qui a pesé dans le dernier classement de l'indice de développement humain Oui, peut-être que euh, cet argent, ou ça ne va pas à l'école, contrairement à ce qui est dit, ou alors euh, cet argent est mal dépensé, il ne va pas dans les priorités à l'école. Euh, mais dans tous les cas, il faut admettre qu'il y a une crise très profonde à l'école euh, nigérienne. la crise est tellement profonde au point où euh, c'est difficile de dire qu'il n'y aurait pas d'instabilité. On sait que l'instabilité, comme la je pense que c'est Issa qui l'a rappelé, c'est parfois lié au non-paiement des pécules, notamment des, des, contractuels. Mais ce n'est qu'un aspect du problème. Il y a énormément de problèmes aujourd'hui sur lesquels euh, où le gouvernement prend les bonnes décisions, où il y aura l'instabilité. <clears throat> On l'a déjà vu vers la fin de l'année, par exemple la question euh, d'affectation de, des enseignants, en particulier des enseignantes. Alors, tout le monde dit euh, qu'à l'école, le corps s'est féminisé, le corps enseignant. Et plus particulièrement dans les gros centres urbains. Dans les gros centres, on pense qu'il y a plus d'enseignantes qu'il n'en faut pendant qu'en milieu rural, euh, il y a un manque. Et donc, il faut faire en sorte que <coughs> partout il y a des écoles, partout où il y a les besoins, il faut qu'il y ait les enseignants. Alors, dès lors que le corps s'est féminisé, ça veut dire qu'il faut trouver un mécanisme consensuel pour que euh, le surplus du milieu urbain puisse aller vers les milieux rural. Mais ça suppose une discussion, un consensus entre différents acteurs, pas seulement les enseignants et le, et le gouvernement, mais aussi les parents d'élèves, la société dans son ensemble. On parle d'école ça concerne tout le monde. Euh, le, fait que le reste de la communauté puisse rester à l'écart des débats, simplement presque en observateur de ce qui se passe, en pensant que ça ne concerne que les anciens et le gouvernement. Je pense que ça a été lourd dans le fonctionnement, ça a été lourd de conséquences pour l'école. Il est temps que le reste de la communauté puisse s'investir dans un vrai débat. Deuxième aspect. Vous, <coughs> parlez du coût de l'éducation, du partage du coût de l'éducation euh, euh, je pense que le gouvernement a dit que c'est gratuit euh, jusqu'à un certain âge, jusqu'à 16 ans au moins, le gouvernement l'a dit. Donc, euh, je suppose que le gouvernement a annoncé quelque chose qu'il doit assumer. Mais je veux dire, l'argent vient après. Mais avant l'argent, en amont de l'argent, il y a des politiques qu'on applique. Il faut sérieusement qu'on prenne le temps de réfléchir sur l'école. Est-ce qu'on veut continuer à faire, par exemple, le volontariat au vu de toutes les conséquences, le, contrat, contrat, au vu de tout ce qu'on voit comme conséquences. Tout le monde dit que cette école ne donne pas satisfaction mais on continue à injecter des milliards. C'est normal qu'à la fin, on n'arrive pas à trouver les solutions. On a aussi des dirigeants qui ont apparemment du mal à faire le consensus avec les, acteurs de l'école. Euh, on peut compter le nombre de préavis de grève qui sont retrouvés au tribunal c'est la preuve qu'on a du mal véritablement à faire un dialogue avec les acteurs. S'il y a un dialogue dans le cabinet des ministres, on aurait pu trouver un terrain d'entente puis essayer de prendre des décisions. Mais si on va dans un tribunal pour dire dites que cette grève est illégale, ça montre qu'entre le gouvernement et les acteurs, il y a quelque chose qui Et donc pour moi, euh, c'est une illusion de penser qu'on va penser une année normale. Si c'est le cas, je souhaite vraiment me, tromper, ce serait bien. Mais au vu de tous les défis qui sont là, de tous les défis qui n'étaient pas soldés, qu'on connaissait déjà les années antérieures, je me dis, euh, la cérémonie du maradi à laquelle vous faites allusion, c'est juste une cérémonie pour rappeler qu'octobre est arrivé. Il y avait déjà les cérémoniales dans les autres entrées. C'est peut-être le cadre qui change, c'est parfois peut-être une classe, etc., etc. Mais pour moi, euh, cette cérémonie, ça rappelle simplement qu'octobre est arrivé. Mais les enjeux, les vrais problèmes vont arriver sur la table. Les différents acteurs finiront par les mettre. Mais encore une fois, il faut qu'on se rende compte que l'école, ce n'est pas les enseignants et le gouvernement. L'école, c'est tout le monde. Il faut que chacun s'implique. Autre sujet d'actualité, est, comme chaque année, c'est l'organisation du Hajj. Des milliers de pèlerins nigériens auraient manqué de nourriture, a déclaré le représentant des agences de pèlerinage Hassan Mani. Information aussitôt démentie par le chef service informatique du commissariat à l'organisation du Hajj et la Omra, Amadou Idrissa Barbizon. Hassan Boukara, comment expliquer la récurrence des problèmes organisationnels à l'occasion de chaque Hajj au Niger En tout cas, je fais le constat que euh, à chaque Hajj, où c'est des problèmes de transport, parce qu'on a du mal à arrêter un agenda clair avec les compagnies de transport, ou une fois arrivé en Arabie Saoudite, il y a toujours des difficultés dans la prise en charge des pèlerins. Est-ce que c'est lié au nombre On parle euh, de 10 à 12 000 pèlerins, c'est pas peu, c'est énorme. Euh, l'État a voulu, <clears throat> à travers le COHO, euh, faire la gestion de tout cela. Peut-être qu'il n'est pas arrivé véritablement à le faire. Ça demande encore beaucoup plus de capacité du COHO pour arriver à le faire. Il y a toutes ces agences euh, qui sont très puissantes. Il y a tous ces problèmes de, prix, parfois qui sont extrêmement chers, au, point où on a besoin de voir dans les détails qu'est-ce qu'on met sur les, frais d'un billet de, pèlerinage. Il y a énormément de problèmes. <coughs> Excusez-moi. Donc pour moi, euh, cette information <coughs> qui, fait polémique ces derniers temps montre peut-être que ce qui était à une échelle euh, un peu mineure, euh, puisqu'il y avait quand même toujours des pèlerins qui se plaignent euh, d'une mauvaise prise en charge ou à travers les hôtels, une fois en Arabie Saoudite, etc. Aujourd'hui, apparemment, c'est le nombre qui est plus important et du coup, ça fait polémique. Et, puis, ce qui, ce qui est agaçant, c'est chaque année que cela se répète. Oui, euh, ce n'est pas normal que ça arrive chaque année. À mon avis, il y a un travail à faire euh, pour que, justement, le coho, qui est le premier, justement, sur ce terrain-là, puisse suffisamment développer ses capacités à aller le faire. Euh, les, compagnies aussi, que chacun puisse jouer un minimum de transparence sur cette affaire de Hajj, parce que c'est quand même beaucoup d'argent qui est en jeu. Euh, parfois, on se demande si réellement c'est l'enjeu financier qui mobilise les gens ou autre chose. Donc, à mon avis, il y a un vrai débat de, ce, point, de vue, parce que les mêmes personnes qui vous disent Dieu, le prophète et tout ça, parfois, on se rend compte avec des gens qui ramassent vos sous et vous finissez à la gendarmerie après le, hajj. Et donc, à mon avis, il y a vraiment une nécessité de mettre de l'ordre. Euh, le gouvernement ne peut pas gérer tout seul. Il y a des euh, agences euh, qui font ce travail depuis des années. Euh, on ne peut pas les mettre euh, toutes au même, au même niveau. Il y en a qui sont peut-être un peu plus sérieuses, d'autres moins. À mon avis, il y a un vrai travail à faire de ce côté pour que des pauvres paysans qui viennent de mon village, qui viennent d'Agadez, de, de Zander, de Maradi, qui économisent pendant des années, puissent vraiment faire ce rituel là C'est extrêmement important dans un pays musulman que les gens puissent, après des années d'économie, s'ils arrivent à réunir l'argent qui les amène en terre saine, qu'ils puissent vraiment faire leur pèlerinage sans problème. Dans, des, dans très bonnes conditions. bonnes conditions. Et c'est une obligation de l'État. Il faut bien qu'il y ait un regard de l'État. Il faut aussi surtout qu'il y ait beaucoup de transparence. Il y a vraiment beaucoup d'histoires qui se racontent autour du Hajj. Il n'y a pas suffisamment de transparence. Il faut qu'il y ait suffisamment de transparence. Et pour moi, ça commence par le billet. Quand on dit vous payez 2 millions ou 2 millions qu'on dise dans les détails, qu'est-ce qu'on met dans ça il faut absolument que les citoyens sachent pourquoi j'ai payé tel montant ou tel autre. Je pense que ça commence par. Il faut qu'il y ait un peu plus de transparence. Issa avez-vous assez d'éléments pour dire où se trouve la vérité dans ces déclarations divergentes du COHO et des agences de voyage Écoutez, euh, comme l'a dit euh, Hassan, euh, la situation se répète chaque année avec son lot de mécontents qui ne sont pas du tout satisfaits des services pendant le Hajj. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, et le COHO et les agences, ils sont tous vraiment responsables de cette situation. Parce que si ce qui fait en sorte qu'on assiste euh, à ces cas de, euh, de, de mésentente, c'est parce qu'il n'y a pas une synergie entre le coho. C'est ce qui explique cela. Nous avons vu des vidéos, des vocales, juste après le Hajj, qui ont été envoyées par des pèlerins qui, vraiment, qui se plaignent de leurs conditions d'hébergement. Ce n'est pas. Alors qu'ils ont payé pour ça. Ils ont payé pour ça. Et vous pensez que eh, ces gens-là ont été manipulés ou bien ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire ils sont en train de donner, de rendre compte de leurs conditions à leur famille, pour que les Nigériens voient qu'aujourd'hui, ce, euh, ce, commerce de foi que les Nigériens sont en train de faire et aux antipodes avec les prescriptions religieuses. C'est ça qui est inquiétant. Quand les gens aujourd'hui font de la foi, d'une affaire de Dieu, un véritable gagne-pain euh, sans moralité, c'est ça qui est inquiétant. Et voilà des choses qu'il faut que ça s'arrête y compris le COHO, y compris les agences. Ce n'est pas, euh, Boukar l'a dit, il y a des agences qui sont sérieuses dans leur euh, activité, il y a d'autres qui ne sont pas du tout, il y a d'autres aussi qui, c'est vraiment, c'est juste le gain qui les amène à le faire parce que sans aucune expérience. Ça, ça, veut dire qu'il n'y a pas de sanctions au niveau des agences. Euh, mm, mm, vous savez, au Niger, le problème du Niger, quand on dit libéralisation, c'est le, le libéralisme intégral on libère tout, on donne à chacun l'opportunité. On pense que non, parce qu'on est démocrate. Non. Il faut l'encadrement et bon. Il faut fixer des critères bien définis. Mais quand vous n'arrivez pas à faire, c'est bien normal que des situations pareilles se présentent. Aujourd'hui, il ce n'est pas de gaieté de cœur de voir que nos pèlerins nigériens, chaque année, parmi des millions et des millions, nos pèlerins se retrouvent dans des situations. Avant, qu'est-ce qu'on disait Bien avant dans le... Malgré que le Congo n'existait pas, mais quand même, ça va ça va, c'est le Nigeria qu'on pointait du doigt pour dire que c'est la pagaille, quand même. Ceux qui sont, excusez-moi, ceux qui sont à la frontière dans les régions de Maradi, Zender, et de qui vont au Nigeria pour aller au Hajj, on les a dit voilà, c'est la voie qui ici, vous venez à Niamey avec des agences au niveau local qui vont vous prendre en charge. Avant, le coho n'existait pas. Mais plus le coho est là, plus les problèmes s'accentuent. Ce sont aujourd'hui, ce sont des partenaires qui aujourd'hui se jettent la responsabilité. Les agents sont sortis, le coho est sorti. Mais au lieu de faire ce ping-pong, asseyez sur une table et de corriger la situation. Ceux qui n'ont pas été dans leur droit, remboursez leur argent. Un point, c'est tout. Vous, vous les avez maltraités, donc ayez l'honnêteté aujourd'hui et craignez Dieu. Parce que c'est la foi que vous êtes en train de mettre en péril. Ces gens-là, ils ont économisé durant des années. C'est ça. Aujourd'hui, si l'État ne peut pas, vraiment prendre ces dispositions. Moi, je pense qu'il faut retourner ou à l'ancien système et en prenant des dispositions particulières. Elage Mohamed Souleymane, pour vous, pourquoi le Niger n'arrive toujours pas à relever le défi d'une bonne organisation du Hajj euh, Je dois euh, euh dire qu'il y a quand même des réformes assez intéressantes euh, au niveau du COFO parce qu'avant, euh, on ne pouvait pas programmer euh, euh, la date de clôture d'enregistrement des pèlerins, le, départ, tout cela aujourd'hui c'est possible. Ils ont quand même fait des réformes assez intéressantes de ce point de vue. mais les difficultés, il faut aussi le admettre. nous n'avons pas au niveau national une compagnie de transport, donc on n'a pas des avions. En tout cas, au Niger, c'est un obstacle aussi à tenir compte. Nous avons des transporteurs qui ne sont pas les nôtres et par conséquent, ces hommes d'affaires, quand ils ont une autre, peuvent aller à servir ailleurs euh, avant de revenir au Niger. Euh, donc, euh, il y a aussi au niveau national, le Hajj, a un enjeu. a un enjeu parce que quand vous essayez de voir, il y a une floraison d'agences de voyage et, et, je sais que pour avoir suivi ces questions depuis des années au niveau de Assalam, euh, je sais qu'il y a un aspect aussi politique dans le Hajj, parce que en réalité, les gens qui créent des euh, les gens avaient compris qu'il y avait l'agenda dans le Il n'y a pas une activité euh, qui se passe à un certain moment bien précis de l'année, mais aussi qui permet aux gens d'avoir assez d'argent pour vivre pendant toute une année. Euh, donc, euh, en réalité, ce qui fait que euh, si on applique des mesures au niveau du ministère de l'Intérieur, à savoir qu'il y a des critères qui font que pour reconnaître une agence, mais ça n'a jamais été appliqué parce que simplement, les utilisent leurs relations politiques, la relations en tout cas religieuses pour effectivement faire un groupement, pour créer une, agence. Donc, je pense que c'est comme dans d'autres domaines, si on veut que ça marche, il faut mettre à l'écart nos sentiments pour vraiment voir le pays seulement l'intérêt général. Juste, sur cette question. Moi, j'interpelle tous ces leaders lieux qu'on voit à la télévision les mêmes qui viennent, qui nous parlent justement des discours. de, la plupart font partie de, ces. C'est quand même. C'est à leur nom que nous sommes trompés. Il faut bien qu'ils puissent se distinguer de ces agences. Ils ne peuvent pas nous dire à longueur de, journée de ce que Dieu dit, de ce qu'il y a dans le Coran. Et c'est à leur nom, puisque c'est leur image, c'est parfois leur numéro de téléphone qui sont donnés au nom d'une agence. Il faut bien qu'ils se distinguent. Bon, euh, ils jouent leur crédibilité. Nous prêchons pour eux il faut d'abord se dire qu'il reste savoir affaire de Dieu. Donc, il faut craindre Dieu. Parce qu'on va faire sur, le, pèlerin, quelqu'un qui est parti répondre à un appel de Dieu, donc il faut essayer au moins de lui offrir pour son argent. Il faut vraiment chercher, vraiment, soi-même, euh, vraiment attirer le profit du Hajj. Euh, en, en, tout cas, en voyant l'intérêt général. Euh, parce que cette année, comme je pense que s'il y a beaucoup de léthargie, beaucoup de difficultés, c'est parce que l'autorité refuse véritablement d'appliquer, en tout cas, des, règlements. De on a des, de servir absolument. Et il le faut. Terminons avec euh, la révision du code électoral, le principal point inscrit à l'ordre du jour de la réunion lundi à Niamey du Conseil national de dialogue politique. Pour une nouvelle fois, l'opposition regroupée au sein du Front républicain pour la défense de la démocratie et de la République FRDDR a préféré ne pas participer, tandis que le nouveau Front patriotique républicain FPR euh, y était. À l'âge Mohamedou Souleyman. le point sur la révision du fichier électoral a-t-il permis à la classe politique d'avancer vers un compromis on peut le dire euh, parce que déjà le lundi passé, euh, ils ont mis un comité qui est chargé véritablement euh, de faire des propositions sur la révision du code électoral et même le règlement du CNDP. Et selon nos informations, en ce moment présentement, donc le CNDP est en train de se réunir pour mettre en place ce comité. Et selon nos informations, l'opposition FRDDD FRDDR euh, va venir aussi au niveau de ce comité. Donc, c'est dire que ce qui a C'est une nouvelle information. Euh, en tout cas, selon mes informations à vérifier, il n'y a aucun obstacle. Euh, en tout cas, ils, ont, ils vont venir le, FRDDR. Donc, en fait, c'est dire que ce qu'il faut souhaiter, ça, c'est une bonne chose pour le pays, en tout cas, le dialogue. ce que la difficulté, maintenant, c'est de leur demander, en tout cas, la bonne foi d'un côté comme de l'autre. Parce que je pense que nous avons une chance au Niger. C'est pas, je crois, il n'y a que deux cas en Afrique des pays qui ont le CNDP. Ou véritablement, quand ça ne va pas politiquement, on va faire appel à d'autres structures pour venir à la internationale. Mais nous, nous avons un cadre plus efficace euh, pour régler nos problèmes. Donc, il suffit simplement que les hommes politiques soient de bonne foi. Et souvent, vous allez voir qu'ils font un deal contre même souvent l'intérêt parce que c'est eux qui décident pour le pays, ça marche. Donc, vraiment, on leur demande en tout cas d'être vraiment de bonne foi, que vraiment cette occasion, en tout cas, soit, on va pour le problème en tout cas, pour un, compromis, parce qu'en réalité, les crises post-électorales, euh, je pense que ça nuit dans un contexte d'insécurité, en tout cas, on n'a pas besoin. C'est pourquoi je pense que chacun doit, en tout cas, au niveau de la classe politique, euh, mettre en avant l'intérêt général. C'est comme ça on peut vraiment battre ce pays-là. Hassan Boukar, le FRDR toujours absent du CNDP, exige un dialogue inclusif alors que personne ne lui empêche de participer au dialogue. Euh, c'est ce, qui semble, euh, dire, que semble dire le président du CNDP après le boycott observé euh, la dernière semaine de septembre. Avez-vous des précisions sur la cause de cette posture de l'opposition j'ai vu circuler sur les réseaux sociaux certaines raisons qui ont été avancées par le FDDR qui fait des rappels sur justement des mécanismes euh, qui rappellent euh, que oui, il y a la question du code électoral, mais ils veulent une discussion globale, etc., euh, etc. Mais je pense qu'ils ont intérêt aussi à faire attention. Ils peuvent être isolés sur le plan politique. si d'aventure autour de ce comité qui doit réviser le code électoral, il se retrouvent j'ai aussi entendu parler justement de l'éventualité de leur participation à ça. Euh, si réellement ils participent, c'est peut-être l'occasion pour eux. Euh, mais pendant longtemps, eux, ils ont continué à faire la politique de la chaise vide. Ils ont aussi eu en face un gouvernement qui considère qu'aussi longtemps qu'il est fort, il peut aussi se passer du dialogue. C'est un peu ce qu'on a eu pendant longtemps. Alors si maintenant probablement avec aussi la pression des partenaires. Je crois qu'ils ne sont pas prêts aussi à laisser le Niger se retrouver dans une crise post-électorale, parce que les questions de consensus autour des enjeux aussi importants que les élections, c'est à la fois un enjeu au niveau national, mais aussi au vu du contexte sahélien, au vu de la position du Niger, c'est aussi un enjeu régional. Euh, la stabilité du Niger, je pense que c'est quelque chose qui compte pour euh, la plupart des... à la fois pour nous, mais aussi pour, euh, pour d'autres qui observent ce qui se passe. Donc, s'ils retrouvent euh, la possibilité de se remettre ensemble autour de la table du dialogue, de négociation, je pense que c'est une bonne chose. Euh, sur les élections, en tout cas, euh, à un moment, les, prises de position étaient très fortes. Je hein. J'ai comprendre que, euh, que ce soit sur la composition de la CENI, que ce soit sur le corps lui-même, euh, la position du gouvernement était de dire c'est déjà tranché, on ne souhaitait pas revenir là-dessus. Mais alors, le fait qu'il y ait de nouveau une discussion et que tout soit remis sur la table, mettre en place un comité, c'est peut-être une bonne chose. Si chacun revient à des meilleurs sentiments, on ne peut qu'apprécier. Je pense que c'est une bonne chose qu'il puisse le faire vraiment. Issa Madougou, la participation de ce nouveau front euh, qu'on peut qualifier euh, d'opposé au pouvoir central de Niamey, le FPR, euh, peut-elle valablement répondre aux aspirations de toute l'opposition dans le cadre du CNDP Je pense que vous parlez du Front patriotique dirigé par Ibrahim Yacouba. Exactement. De toutes les façons, vous savez, comme l'opposition n'est pas unie, et c'est ça aussi le problème de nos politiciens il n'y a pas d'union. Chacun reste dans son coin pour défendre des C'est pour cela, parfois, moi, j'estime que cette classe politique. À qui, à qui profite euh, cette euh, division au sein de l'opposition Mais parce qu'ils pensent tous être malins. Chacun défend ses propres intérêts. Vous pensez qu'ils sont en train de défendre l'intérêt du peuple nigérien Je ne crois pas je pense que le CNDP, c'est vrai, ça peut nous ça peut nous amener des choses, des situations très du tout que nous ne voulons pas euh, euh, voir dans notre pays. Le dialogue, ça nous amène à des situations de paix, d'apaisement, à ce que les gens même si vont se, euh, vont se tirer là-dessus, mais quand même, ils, seront plus objectifs parfois. Mais la politique de la chaise vide, moi je pense que ça n'a jamais euh, donné l'objectif escompté. Ça, c'est une vérité. Il faut aller, même si vous savez que l'autre partie n'est pas sincère, il faut aller d'abord l'écouter. Parce que plus vous continuez, plus l'autre sera dans une, posture à dire Ok, moi je suis le plus fort, que vous venez, oui ou non, ça fait votre problème. C'est ça le problème. Quand vous parlez le Front patriotique, ils sont partis pour leurs propres intérêts parce qu'ils estiment qu'ils doivent aller. est le FDR, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a le FDR, parce que le FDR regroupait le F... Hmm, oui, le, FDR euh, regroupait le FRDDR et les partis non affiliés pour l'alternance démocratique. Donc il y a eu une rupture entre eux euh, euh, avec la, désignation du président. Aujourd'hui, il y a deux blocs. Le FRDDR s'est retiré de son côté et le FDR est là. Le FDR a participé. Euh, Donc c'est le vous du clan des non affilés Le non-affilé plus c'est ben, Tabac et, euh, Donc le FDR est, là. C'est le FDR seulement qui, s'il continue continuent dans cette posture, c'est eux qui risqueront d'être écartés du système. Parce que les autres vont participer, ils, vont, ils sont opposants et ils peuvent dire que voilà. Mais moi, je salue d'abord la, sagesse de ces politiciens euh, du CNDP parce que je de la reprise des discussions. De des discussions et la mise en place de ce comité euh, adopte 15 personnes, vivement euh, l'arrivée du FRDD dans ce comité pour faire des propositions objectives par rapport à la révision du code électoral. Parce que il faut que le Niger a besoin vraiment d'élections libres et transparentes, dans un climat apaisé. C'est pour cela que tous les acteurs devront y prendre part, même si nous savons que la classe politique nigérienne, parce que moi, de toutes les façons, le CNDP, je perçois que le CNDP, c'est un syndicat de politiciens qui se non, juste pour finir, pour qui se regroupent pour défendre leurs propres intérêts, comploter sur le, peuple euh, le dos du peuple nigérien. Donc, à eux aujourd'hui de trouver, parce que 2021, ce n'est pas le, le Nigérien de 2018 qu'ils auront en face, mais c'est le Nigérien averti qui va prendre des décisions sages. <laughs> Juste, rapidement, je voulais, dire que quand même, euh, il n'y a pas longtemps, l'UIF avait engagé une euh, médiation euh, qui a été sabordé par, euh, par l'opposition radicale, euh, qui a même pris à partie le médiateur. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un truc nigéro-nigérien, je pense que c'est une très bonne chose, pourvu que ça soit sincère et honnête. Voilà, nous sommes au terme de ce forum d'Issidio studio Kalangou. Merci à nos invités Hassan Boukardi Abba de la radio alternative, El Haj Mohamed Souleyman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Merci aussi à tous les auditeurs pour votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h15 avec les forums à Hausa et Anzarma. Merci, au revoir.